le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Voilà, Studio Kalangu, il est 18h16 minutes. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir à tous. Studio Kalangu, nos programmes sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs de des régions. Vous pouvez aussi nous suivre dans les localités d'Arlit, Filengue, Berningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. À la une de ce forum d'aujourd'hui, le Niger se joint aux autres pays pour signer l'accord de Paris sur le climat adopté par les pays membres de la Convention des Nations Unies lors de la COP 21 en décembre dernier. La décision a été prise hier soir en Conseil des ministres sur l'importance et les enjeux d'une telle ratification pour la lutte contre le changement climatique. Vous suivrez les explications de Sani Ayuba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Par la suite, nous parlerons Tabaski. La fête, c'est dans un peu moins, dans, un peu plus de 72 heures. Pour cuire la viande des animaux immolés, les fidèles ont le choix entre plusieurs sources d'énergie, le bois de chauffe, le charbon, le charbon minéral, choix non sans conséquence, selon Madame Issa ingénieur électricien planificateur. La tabaski, c'est aussi l'entretien des moutons avant le jour J, dans pareil cas, comment bien entretenir son mouton sur le plan alimentaire Vous aurez la réponse du technicien en ressources animales Alain Deka. Culture, la fin hier soir a-t-il avéré de la 14e édition du festival Soukabe. L'édition a duré cinq jours au, cours de laquelle les 190 festivaliers du Niger et d'ailleurs ont rivalisé en danse et en chorégraphie. Une édition très bien réussie selon le promoteur, un Soukabe riche en expérience pour le chef de la délégation sénégalaise, vous suivrez Soumanatine Wankoy et Madame Mat On termine avec les 15e Jeux paralympiques dont les compétitions débutent aujourd'hui. Le chef de la délégation paralympique du Niger à Rio de Janeiro et l'entraîneur national nous diront dans quel esprit se trouvent les deux, euh, dans quel état d'esprit se trouvent les deux représentants et quand est-ce qu'ils joueront. Haruna Ousmane et Aboubakar Moussa ont été joints ce matin. Oui, l'accord de Paris sur le climat adopté par les pays membres de la Convention des Nations Unies lors de la COP21 en décembre dernier a été ratifié hier soir par le gouvernement nigérien en Conseil des ministres. Le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE, Sani Ayouba, nous explique euh, les enjeux et l'importance de cette ratification. Il est au micro de Rukaya Abdraman. Il vous souviendra l'année dernière, euh, lors de la COP21, les pays membres de la Convention cadre des Nations Unies à l'unanimité ont adopté l'accord de Paris sur le climat. Donc après ça, l'accord a été ouvert en signature le 22 avril dernier, qui était la journée mondiale de la Terre. Et lors de cette cérémonie d'ouverture des signatures, le président nigérien même, Souf Mahmoudou, a pris part à cette euh, cérémonie pour montrer en tout cas l'intérêt qu'il accorde aux questions climatiques. Donc lui-même, il a été à New York pour signer l'accord. Après signature, ça ne veut pas dire que le pays est 100% d'accord. Donc, euh, le les pays doit revoir l'accord dans sa globalité pour ratifier ça. Donc, c'était hier lors euh, du Conseil des ministres que le président procédait à la ratification officielle. Donc, ce qui signifie que le Niger fait partie des pays qui ont signé et ratifié l'accord de Paris sur le climat. Dites-nous euh, quelques grandes lignes très importantes de cet accord. L'accord de Paris sur le climat, parce que dans l'histoire, depuis le premier sommet de la Terre en 1992, après la mise en place des conventions post-Rio, donc, lors de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, on a une réunion annuelle, la rencontre qu'on appelle la COP. Donc, lors de chaque COP, les nations du monde entier, en tout cas membres des Nations Unies, essayent de s'accorder sur les principes qui peuvent guider, en tout cas, la gouvernance euh, sur les questions climatiques. Donc, il fallait trouver des voies et moyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Également, voir les voies et moyens pour aider les pays vulnérables à s'adapter face aux effets du changement climatique. Donc, plusieurs négociations je pense en 2009, il y avait la conférence de Copenhague, la COP de Copenhague 15, qui n'a pas pu trouver un accord. Donc c'est la première fois dans l'histoire de cette convention qu'il y a eu un accord universel salué par tous à Paris en 2015. Donc cet accord nous amène à une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent nous permettre de contenir la température globale en deçà de 2,5 degrés. Donc c'était ce qui a été sollicité. Il fallait trouver vraiment un accord qui va faire en sorte que la température globale soit en deçà de, de ces seuils. Également, la question du financement, parce que les pays vulnérables demandent toujours qu'il y ait des financements pour faire face aux effets du changement climatique. Donc, il y avait, je pense, 100 millions ou 100 milliards de dollars qui doivent être prévus annuellement pour aider à faire face euh, aux questions du changement climatique. Il y a eu aussi la question des transferts de technologies qui a été prise en compte. Il y a eu également la question des contributions nationales prévues déterminées au niveau des pays qui a été prise en compte et qui sera révisée chaque cinq ans parce que tous les pays, quel que soit leur niveau de développement doivent maintenant participer à la lutte contre les changements climatiques parce que avant, les gens que non, c'est les pays riches qui sont seulement responsables, donc c'est à eux de faire des efforts. Mais maintenant, avec la contribution prévue déterminée au niveau national, les pays aussi en voie de développement s'engagent à faire des efforts. Donc tout ceci est contenu dans l'accord de Paris qui a été salué par tous et nous estimons, nous espérons que euh, après la ratification, parce que ce qui est important de savoir, la signature et la ratification en est une autre chose, mais il faudrait que ça rentre en vigueur parce qu'il y a a aussi des critères ou des conditionnalités pour que l'accord entre en vigueur. Entre autres, il y a le fait qu'il faudrait au moins qu'il y ait 55% des pays signataires qui, doivent ratifier et aussi ces 55% doivent constituer aussi 55% du taux d'émission de gaz à effet de serre global. Même si c'est 100 pays, on a, c'est un exemple, si c'est 100 pays, on a 100 pays qui ont ratifié, si ces 100 pays ne représentent pas 55% du taux d'émission de gaz à effet de serre, l'accord ne peut pas entrer en vigueur. Mais ce qui est salutaire, la semaine dernière, les États-Unis et la Chine ont ratifié l'accord de Paris sur le climat. Donc à eux celles qui constituent l'un des, en tout cas les pays les plus pollueurs. Donc on pense que déjà on est avec les autres pays qui ont signé, qui ont ratifié, on est presque à 43%. Donc l'accord de Paris que les gens pensent peut-être qu'il ah, faut 2019 ou 2020 pour que ça rentre en vigueur. Je pense qu'avec l'engagement de certains pays, actuellement on peut espérer voir l'accord en vigueur dès 2017 ou 2018. Quel est l'enjeu pour le Niger Ce que le Niger fait partie des pays les moins avancés. Le Niger fait partie des pays, comme on dit, le, groupe des G77 plus en Chine. C'est un pays en voie de développement, c'est un pays sahélien. Nous subissons des prêts fouets, comme on dit, les affres du changement climatique. Donc, à travers la signature de cet accord, nous aurons des ouvertures en termes de transfert de technologies, en termes de moyens financiers pour financer nos programmes et actions de développement en lien avec la lutte contre les changements climatique. Et également parce que le Niger fait partie aussi des pays qui ont déposé leurs documents qu'on appelle CPDN, Contribution nationale prévu, déterminé dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et c'est un document aussi qui est chiffré, où on sait que pour mettre ça en œuvre, voilà les secteurs prioritaires pour le Niger, voilà les financements nécessaires qu'il faut. Donc c'est un document qui est chiffré. Donc on estime que avec l'accord de Paris, le Niger peut espérer ou bien peut solliciter des fonds pour apporter aussi sa contribution dans la lutte contre le changement climatique et aider ces communautés aussi à être plus résilientes. Euh, est-ce que dans la pratique, cela va être possible avant la ratification de cette signature quelle était la situation du Niger Le Niger fait partie des pays membres de cette convention depuis le lancement et le Niger a participé à toutes euh, les négociations. Le Niger a également élaboré sa stratégie nationale, son programme d'action, ses communications sur, sur la thématique. Donc je pense que le Niger est vraiment un pays modèle par rapport à cette question. Donc il va de soi que s'il y a des résultats, que le Niger puisse aussi en bénéficier parce que le Niger a tellement de programmes euh, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques que s'il y a des accords comme ça favorables favorable à ce qu'il y ait des transferts de technologie ou des moyens financiers que le Niger puisse en bénéficier. Parce que actuellement, le Niger est à la recherche des partenaires pouvant l'aider à aider ses communautés à faire face, comme je l'ai dit, au choc climatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, on estime que c'est une ouverture, c'est un pont vers les financements, c'est un pont vers les transferts de technologie, c'est un pont vers les transferts même des connaissances. Parce qu'il nous faut aussi de la science, il nous faut avoir les moyens nécessaires pour aider nos communautés à faire face au changement climatique et amorcer véritablement le développement du pays remarque qu'ici au Niger, comme vous le savez, le Niger c'est un pays sahélien. Il y a une certaine défaillance dans la protection de l'environnement et dans aussi l'utilisation du bois par la population. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie, euh, à mon avis, qu'il faudrait redoubler d'efforts en termes de sensibilisation, en termes de communication, pour que les Nigériens puissent comprendre la portée de la protection de l'environnement, l'intérêt pour les communautés d'être associées dans toutes les initiatives euh, euh, préservatrices de l'environnement également la question du bois, s'il faut prendre ça en compte. C'est vrai, euh, notre euh, l'énergie qu'on utilise, la biomasse, tout ça, c'est à base du bois, mais on est un pays qui, euh, dont le couvert végétal est très faible, on n'a pas assez de forêt. Donc il est important que les gens comprennent qu'il faudrait, si on consomme tout ce qu'il y a comme bois, cela a des répercussions, a des impacts considérables parce que sans les arbres, on n'aura même pas la pluie, ce qui fait qu'aujourd'hui, la sécheresse n'est plus cyclique, elle est annuelle voit un peu. Donc, c'est des choses qu'il faudrait communiquer. Il faudrait que les gens changent de comportement. Il faudrait que les gens s'approprient cette thématique et comprennent. Donc, il faut vraiment des campagnes intenses, des campagnes de communication de proximité pour que les Nigériens comprennent cela. Et c'est pourquoi nous, dans notre organisation, nous essayons de mobiliser les jeunes et les femmes pour comprendre l'intérêt de préserver l'environnement, l'intérêt de participer à la sauvegarde de l'environnement parce que si on n'a pas un cadre de vie agréable, qu'est-ce qu'on va laisser pour les générations futures et de quel pays nous allons euh, faire hériter nos enfants parce que s'il n'y a pas d'arbres, les déserts ne cessent d'avancer depuis toujours, on parle de ça. Et les gens plantent mais ils n'entretiennent pas les arbres. Aujourd'hui, rien que la fête des Tabaski qui s'approche, la quantité de bois qui sera utilisée pour faire la grillade, c'est énorme. Il faut qu'on change. Il y a d'autres mécanismes qu'on peut utiliser pour réduire cette consommation de bois. Même si on n'a pas d'autres solutions, on peut quand même utiliser des foyers améliorés qui consomment moins de bois. En termes d'efficacité, il y a d'autres alternatives qui sont possibles. Donc, il faudrait qu'on s'engage ensemble vers une transition vers l'utilisation d'autres formes d'énergie euh, qui peuvent nous permettre de préserver nos ressources naturelles. Est-ce que cette ratification pourra jouer un rôle important dans tout ce que vous venez de dire Bien sûr que oui, parce que le changement climatique, c'est une question globale, c'est pourquoi elle est traitée au niveau global. Donc globalement, les gens vont s'entendre et dire que bon, voilà, l'accord est là, il est signé, voilà le contenu. Donc les gens vont se donner. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on se donne les moyens. Tous les États d'ailleurs, membres de, de la Convention, vont se donner les moyens moyens. Chacun, en fonction de son niveau de développement, a des responsabilités. Parce que c'est qu'on dit, il y a des responsabilités communes, mais différenciées. Parce que le Niger n'a pas la même responsabilité que les États-Unis ou la Chine dans les dérèglements climatiques. Donc, il est important que euh, cette responsabilité soit connue et différenciée. Donc, en ce sens que la contribution des uns et des autres aussi diffère. Donc, dans un pays où tout est prioritaire, je pense que si on a des conventions quand même comme ça qui sont favorables, qui peuvent nous permettre d'avoir des moyens du point de vue financier, technique, humain et tout ce qui s'ensuit, ça ne peut que permettre, si on a la bonne volonté, ça ne peut que nous aider à aller de l'avant, à faire des actions nobles, à faire des actions au profit de nos communautés, à faire des actions qui vont faire en sorte que notre pays redeviendra vert, euh, comme on dit, quoi, pas seulement qu'on reste toujours dans les carcans, les déserts avant, c'est un pays sahélien, tout ça, mais il y a beaucoup de pays sahéliens aussi qui font des efforts pour rester euh, des pays verts, pour avoir un environnement sain, un environnement favorable au développement humain. Voilà, vous venez de suivre euh, le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE, Sani Ayouba, sur euh, la, ratification de l'accord de Paris sur le climat euh, adopté lors de la COP 21 décembre dernier. Donc, accord ratifié par le gouvernement hier en Conseil des ministres. À quelques 72 heures de la fête de Tabaski, les uns et les autres se préparent activement. Il est de coutume pour les Nigériens de faire cuire la viande des animaux immolés avant de la partager. À cet effet, ils utilisent plusieurs sources d'énergie, notamment le bois de chauffe, le charbon, le charbon minéral, etc., etc. Le choix d'une source d'énergie n'est pas sans conséquence. Selon Malam Issarabiou, ingénieur électricien et planificateur, il est aussi membre du collectif pour la défense du droit à l'énergie Kodai. Il, dit, il explique pourquoi au micro de notre reporter Souman Amadou au niveau de la ville de Niamey et ses alentours, effectivement, on assiste à une grillade de la viande de tabaski avant consommation. Et la grillade s'effectue avec du bois. Donc, euh, nous aussi, on a pris l'habitude. Mais quand même, c'est pas sans conséquence. Pour cette question, nous, on n'a pas à dire quelle est la meilleure façon, puisque déjà la population est habituée à quelque chose, donc on ne peut analyser les impacts ou les, conséquences de ce qu'elle a l'habitude de faire. Sinon, si on peut s'en passer du bois, c'est la meilleure des choses, parce que nous avons le faible couvert végétal, et c'est sur ça qu'on se rabatte pour aller couper les arbres et venir griller les viandes. Donc, si l'État peut faire un grand travail dans ce sens sur plusieurs années. D'abord, amener la population à changer carrément de, comportement. Donc, se rabattre au lieu du bois, pourquoi ne pas faire la grillade avec euh, du charbon carbonisé Nous pensons que c'est mieux même pas l'autre charbon parce que le charbon commercial il est trop polluant pour l'environnement. Le charbon ordinaire Le charbon ordinaire qu'on voit, ça dégage beaucoup de CO2. Mais si le charbon est déjà carbonisé, normalement, il est plus préférable. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut commencer tout de suite et avoir un résultat tout de suite. D'abord, il faut commencer à faire renoncer à la population cette habitude de griller la viande parce que euh, nous qui avions grandi à, l'est du pays, à Maradi, à Zander, on ne connaît pas la grillade. Là-bas, on ne grille pas quand vous égorgez, vous laissez la carcasse de mouton passer la journée et le lendemain, automatiquement, euh, commence euh, les distributions et autres. Maintenant, pour ceux qui sont habitués, donc, il faut un travail de sensibilisation étalé sur plusieurs années. Donc, euh, les montrer d'abord les inconvénients de, de l'utilisation abusive de bois. Et souvenez-vous, pendant qu'on faisait Tabaski vers le mois de mars, avril, donc euh, le jour de la grillade là à 13 heures, à la température naturelle, maintenant est venue s'ajouter la température ici de la grillade. Donc toute la ville devient extrêmement chaude. On dirait qu'elle est prête à s'enflammer. Donc si vraiment <laughs> il y a un travail qui peut être fait même pour euh, demander la population à renoncer à cette habitude d'abord. Ou bien, maintenant, ceux qui tiennent à faire la grillade, c'est d'essayer les charbon carbonisés. Quand on prend l'aspect sanitaire, comme vous venez de citer, comment la chaleur et tout le tas de, comment de conséquences, est-ce qu'il y a précisément des maladies que ça peut provoquer euh, pour les utilisateurs Ou bien, s'il y a un impact que ça joue sur euh, la viande même Ce qui est sûr, grillé avec le charbon, c'est toujours mieux que gré avec le bois. Parce que gré avec le bois, on n'a pas un contrôle de, la flamme. Donc, euh, sur la carcasse du mouton, une partie peut être trop grillée, une partie pas grillée. Vous allez trouver des traces de sang sur cette partie. Mais si c'est le charbon, donc surtout avec des fours spéciaux qu'on peut peut-être même demander au, au Centre national de l'énergie solaire de, pour le besoin de la population de concevoir des, fours spéciaux pour les grillades. J'en suis sûr que le résultat sera probant. Donc, euh, hygiéniquement, vous le savez bien, on vient, on expose sur les riz, les moutons, c'est des enfants qui suivent, etc. Donc, euh, il y a tous ces soucis. Mais le mieux, le mieux quand même, c'est un travail que l'État doit s'en occuper. Nous avons un centre national de l'énergie solaire qui a fait beaucoup de travail. Donc, si on les sollicite, c'est de faire des fours aménagés spéciaux pour les grillades à base du charbon carbonisé que tout le monde peut accéder, ou même à base du solaire, parce que le, le CNES en a. Ils ont des fours solaires pour griller n'importe quel type de viande. Bon, ça, on considère que c'est cher. Le prix n'est pas du tout accessible. Quelle est l'analyse que vous pouvez faire sur l'utilisation de l'autre charbon que nous connaissons et quelles sont aussi eh, les conséquences Le lien entre le charbon carbonisé et les charbons ordinaires, c'est que les charbons carbonisés est déjà industriellement préparé pour produire une chaleur intense une fois qu'il est brûlé. Et c'est ce type de charbon normalement qui est utilisé dans le four. Maintenant, les, les charbons ordinaires que nous connaissons, donc ça, c'est juste du bois qui n'est pas complètement brûlé. Donc, une fois enflammé, c'est comme du bois. Il y a toujours la fumée noire qui peut intoxiquer euh, les enfants à côté, euh, etc. Donc, euh, problème de santé et pollution de l'environnement. Donc, c'est du charbon qui dégage beaucoup de CO2. Donc, toute la fumée noire qui, qui, va se dégager donc euh, contribue à l'accroissement de ce qu'on appelle gaz à effet de serre. Donc euh, il y a tout ça, il y a tous ces aspects qu'il faut tenir compte. Maintenant, le charbon carbonisé, c'est un charbon industriel. Certes, il n'est pas accessible, mais le envisage d'en faire une production à grande échelle, surtout si les travaux de Salkadamna étaient avancés. Donc, euh, nous avons vu les documents des rapports d'études. Donc, euh, non seulement à Selkadamna, on va produire de l'énergie électrique à base du charbon, mais la même usine va produire des briquettes de charbon carbonisé. Et donc, c'est ce genre de charbon dont j'en parle. Donc, c'est vraiment un charbon industriel qui ne dégage pas beaucoup de fumée, qui n'a aucun risque lié à son utilisation ou même s'il y a des risques, ces risques sont très minimes. En tant que spécialiste, quel est le conseil que vous donnez aux utilisateurs pour cette fête-là qui vient dans une semaine Déjà, on crie qu'il n'y a pas du bois dans la ville. Oui, avec euh, les nouvelles décisions des autorités régionales, donc les camions de bois ne circulent plus dans les villes pendant le jour. Donc on les a donné instruction de circuler seulement à partir de minuit. Et c'est pas sans conséquence si on sait que D'abord, la plupart dans ces bois qu'on prend de la route des taureaux, souvent il y a des serpents, il y a d'autres types euh, de lézards. Donc eux-mêmes, les commerçants de ce bois-là, ils ont peur euh, de décharger les camions la nuit. Peut-être un travail là doit être fait, mais le mien, d'autres mesures plus hardies. D'abord pour commencer à sensibiliser toute la population même de la grillade. La religion nous impose pas à griller la viande avant de la distribuer ou de la consommer. Donc c'est juste une habitude et que si, si l'habitude n'a pas de plus-value, on peut renoncer carrément. Un travail doit être fait. ici au ministère de l'énergie et du pétrole, il y a une division énergie domestique. Donc cette division doit commencer à faire un travail avec les, gens du service de l'environnement. Si possible, prendre cette question même de la grillade de, de, la viande pendant Tabaski, faire de ça un projet sur lequel les gens vont réfléchir et proposer des alternatives dans l'immédiat à court et puis moyen terme. Si possible, si les religieux peuvent même s'impliquer et demander aux gens de renoncer juste pour notre propre bonheur, pour la survie de notre environnement, moi je pense que c'est mieux. Voilà, vous venez de suivre les conseils de l'ingénieur électricien sur le choix des sources d'énergie à l'occasion de la fête de Tabaski. Tabaski, les Nigériens affluent actuellement vers les marchés de bétail pour l'achat de moutons. Certains achètent leurs moutons bien avant le jour J. Alors comment bien entretenir son mouton sur le plan alimentaire c'est l'une des questions que notre reporter Omar Hama a posée à un technicien en ressources animales. Il s'agit de Alain Adeka. Écoutons-le. La tabaski a ses exigences, donc on demande des animaux gras et en bonne santé. Donc comment les élever normalement Et il y a, y a, une pratique de l'élevage qui on appelle l'embouche. Il faudrait emboucher l'animal et un peu maigre, donc quatre mois avant la, date, avant la, fête de la tabaski. Donc euh, il y a une procédure d'embouche et des techniques d'embouche que même la population maîtrise sur le plan alimentaire, sur le plan et euh, santé. Mais euh, la ville a ces exigences, euh, les citadins, généralement, les gens n'achètent pas de moutons à temps pour euh, des raisons de vol ou bien de charité de la charge donc euh, pour entretenir un animal ou emboucher un animal jusqu'à cette date. Donc les gens préfèrent euh, à la dernière semaine, les derniers jours avant la fête donc pour payer les animaux. Maintenant sur le plan alimentaire et effectivement les animaux d'embauche sont ont des exigences puisqu'il y a les besoins. Normalement c'est comme je l'ai dit tantôt c'est les animaux qui sont un peu maigres qu'on essaie d'engraisser. Donc il y a des besoins, les besoins de croissance là sont déjà couverts, c'est les besoins d'entretien, les besoins de gain de poids qu'on cherche. Donc euh, il y a les aliments bétail, les sous-produits agricoles qu'on utilise et, après il faut aussi améliorer avec euh, les, produits pharmaceutiques comme les complexes vitaminés, les sels et minéraux. Donc ça c'est sur le plan alimentaire. a sur le plan sanitaire, d'avoir pour entreprendre l'embouche ou bien au cours de l'embouche, donc il faut déparasiter l'animal. Si l'animal a des infections ou bien des parasitismes, donc il faut, il faut le déparasiter, il faut le traiter avec des antibiotiques ou bien des antiparasitaires. Maintenant, pour les derniers jours, vraiment, il est très tard donc pour, pour faire ça parce qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas utiliser une semaine avant, avant l'abattage. Sinon, il y a l'effet du produit qui, qui, reste encore sur la viande, donc il euh, n'est pas conseillé d'utiliser certains euh, produits. Maintenant, sur le plan alimentaire, vraiment, tous ceux qui payent leurs moutons, c'est bon, le mouton, il, a, il est habitué à une alimentation chez son premier propriétaire avant d'être sur le marché. Donc, si on ne sait pas, c'est de modérer. Parce que les moutons qu'on trouve sur le marché, déjà, ils sont finis, ils sont au stade déjà de finition. Donc, euh, c'est de les alimenter modérément. Donc, avec la paille, la paille de brousse là, du sang, mais un peu pas essayer de les gaver parce que si vous les gavez encore, ils vont faire la diarrhée et encore ça va, leur poids va chuter. Donc euh, il y a la paille de brousse, un peu du sang et il y a euh, le, le, le, sang. On trouve le sang, on trouve des tourteaux, des graines de coton, on trouve des coques d'arachide, les fans d'arachide ou des coques de nébé. Donc tout ça là, c'est des produits qui sont des aliments qui sont très riches, donc euh, qu'on donne mais en petite quantité et éviter de donner du céréal. Maintenant cette semaine-là, vraiment, c'est pas une semaine là. Comme je l'ai dit tantôt, la phase d'embouche est déjà terminée. Il faut éviter les céréales. C'est de donner modérément vraiment ces aliments-là. La paille, les autres produits, les sous-produits agricoles. Quelles sortes euh, de maladies ça peut engendrer sur euh, la santé de l'homme Bon, les animaux comme euh, les humains, vous savez, on dit plus de 70% des maladies animales sont, des maladies humaines sont d'origine animale. Les animaux aussi font les, des maladies, mais et euh, les moutons d'embauche, vous savez, comme je l'ai dit, sont bien soignés, bien traités jusqu'à ce. Néanmoins, on en trouve par exemple des cas de maladies, et surtout les maladies parasitaires comme les téniasis surtout des animaux qui sont élevés dans les brousses, qui ne sont pas parasités périodiquement, vous allez trouver des ténias dans leur tube digestif, dans les, dans les intestins. En mangeant, on peut être contaminé si on n'a pas inspecté, parce que des fois on ne prête pas attention. Tant que s'il n'y a pas un vétérinaire qui doit inspecter, donc euh, vous pouvez consommer ces viscères-là ou bien faire consommer votre famille et attraper des, des ténias. Il y a aussi d'autres maladies, bon, ça c'est, je parle d'une manière euh, très simple, quoi. Et donc les maladies parasitaires que l'homme aussi peut attraper. Il y a aussi d'autres maladies infectieuses comme la tuberculose aussi que l'animal euh, peut avoir une euh, une forme de tuberculose qu'on appelle la maladie caseuse, donc euh, et qui peut transmettre, contaminer l'homme. Il y a d'autres aussi infections euh, qu'on peut trouver, comme les infections généralement, on les appelle les zoonoses des, maladies que l'animal peut transmettre à l'homme ou bien vice versa. Donc il y a vraiment toute une catégorie de maladies que l'animal peut transmettre en consommant la, viande. Donc Et comment se prévenir pour cette maladie du viande Bon, les maladies maladies deviennent euh, généralement c'est à l'élevage. Donc euh, dès qu'on fait l'élevage, que ce soit l'élevage d'embauche ou bien l'élevage de, de, masse, donc euh, l'élevage sédentaire, c'est le, les soins vétérinaires appropriés qu'il faut administrer aux animaux. Il faut les déparasiter périodiquement. Il faut leur faire, s'ils ont des infections, il faut faire donc une couverture d'antibiotiques périodiquement. Donc pour éviter ces infections, il y a des produits pharmaceutiques très efficaces et nous avons aussi des pharmacies vraiment à Niamey comme à l'intérieur du pays. Donc, euh, et les éleveurs savent où aller s'approvisionner pour payer les produits pharmaceutiques pour le déparastage. Le second aspect qu'il faut dire, c'est l'aspect appui conseil. Il faut toujours quand on élève, il faut avoir un agent vétérinaire à côté qui va vous prescrire les produits et qui va suivre et qui connaît aussi les signes de maladie. Dès qu'un animal est atteint de telle maladie, donc il le sait et, conséquemment, il va chercher les produits et qu'il faut pour euh, les traiter. Voilà comment entretenir un animal, surtout en cette veille de fête de Tabaski. Vous avez suivi les conseils du technicien en ressources animales Alain Adeka. La quatorzième édition du festival Soukabe a pris fin hier soir à la Maison des Jeunes et de la Culture de Tilabiri. Durant cinq jours, les quelques 190 festivaliers venus du Niger profond et de certains pays de la sous-région ont rivalisé de talent en danse traditionnelle et en chorégraphie notamment. Le promoteur du festival, Soumane Wankoy, estime que cette quatorzième édition a répondu à ses attentes. Ce qu'on peut retenir, c'est que 14 ans sans interruption. Moi-même, ça me fait une grande surprise et un grand plaisir de voir un événement que j'ai pris, que j'ai beaucoup aimé, et qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans sans interruption. Et j'ai connu beaucoup de régions grâce à Soukabe. Et me voilà, après 2008, je suis revenu encore aujourd'hui en 2016 à Telabéry. Ça, c'est vraiment un grand sentiment et un grand plaisir pour moi. Quelle est la particularité de cette 14e édition, monsieur le promoteur La particularité, c'est que j'ai un pays qui n'a jamais participé qui est le Sénégal, que ça fait plus de 4 ans que nous sommes en train de chercher à les faire venir et que cette année, ils sont là avec nous à Telabéry et que vous avez vu, vous avez entendu vous-même. Ils sont très contents et très contents et ils nous invitent aussi en décembre et nous pensons que nous allons partir. Donc c'est ça vraiment la particularité, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ça. Et deuxièmement, ce qui m'a frappé, c'est que le public de Telabéry, après le passage 2008, a été fidèle et resté fidèle à Soukabe. Vous avez vu, on n'a pas besoin de vous dire la mobilisation. Nous sommes très, très, très, très, très contents de cette euh, mobilisation. L'œuvre humaine n'est pas parfaite comme on on le dit. Quels sont les ratés de cette 14e édition selon vous Oui, effectivement, il a des ratés parce que vous savez, en tout un euh, truc organisationnel, nous nous nous promenons pas avec euh, des organisateurs. Nous avons juste un staff et nous prenons des jeunes de la région. Et il faut se comprendre que c'est des jeunes volontaires qui, d'autres, euh, c'est maintenant ils cherchent l'expérience, d'autres n'ont même pas l'expérience, mais ils ont la volonté. Et donc seul le staff ne peut pas tout organiser. Mais ceux qui sont volontaires et quand on les confie des tâches, nous voyons beaucoup de ratés. Mais comme c'est leur début et nous ne pouvons que essayer de d'être content par rapport à la chose. Sinon, sur le plan organisationnel du spectacle, et eh, nous avons remarqué quelques ratés. Bon, mais ça va, on peut faire avec, il n'y a pas de problème. que l'organisation d'un tel grand événement nécessite euh, bien entendu euh, des moyens. Avec quels moyens vous avez pu organiser cette 14e édition Les moyens, c'est notre marraine. Notre marraine euh, est Docteur Malika, qui pratiquement, avant de faire le festival, nous savons déjà là où elle va intervenir. Donc, quand vous savez qu'il y a un événement, le transport, la restauration, en coup, c'est parti. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échouer le festival. Donc voilà pourquoi le festival, à chaque fois, nous le tenons. Depuis 2011, quand elle est arrivée, donc elle tient ses deux bouts pour nous et nous sommes fiers. Maintenant, comptez sur euh, les sponsors au Niger, bon, je peux dire que Soukabe a des partenaires fidèles et que bon, le sponsoring au Niger, il reste beaucoup de choses à faire parce que eh, ne croient pas à ce qu'on fait. Et que c'est quand l'événement vient qu'ils voient la mobilisation et ils se disent à chaque fois que ils s'excusent, Bon, nous, pouvons quand même les remercier. Après 14 ans de fidélité, nous remercions quand même à tous les partenaires et tous les sponsors qui nous ont suivis et un coup de chapeau à UNICEF qui 14 ans n'a jamais manqué Soukabe. Donc nous pouvons leur dire. Mais j'ai beaucoup aussi manqué l'absence de Plan Niger qui son point eh, c'est la région de Tlaveri nous sommes ici dans la région de Traveri. Bon, on n'a pas pu, les, on les a pas vus à, nos côtés. Bon, nous, nous pouvons dire que c'est une partie remise, mais nous avons bien voulu les voir nous accompagner ici à et eh, comme 2009. Bon, mais c'est pas grave. Si une fois ils n'ont pas pu, nous pouvons dire que l'année prochaine ils vont rattraper on peut avoir le coût estimatif euh, de l'organisation de ce grand événement Un événement comme ce personne ne peut l'estimer le coût. Parce que aucun budget ne peut être réel par rapport à Sukabe. Parce que eh, il y a tellement d'imprévus que nous ne pouvons pas vous dire voilà réellement le coût par rapport à Sukabe. Voilà. Où se déroulera la 15e édition Bon, la 15e, c'est que nous fêtons les 15 ans de Soukabe. On va le faire en mars. Et maintenant, euh, le lieu qui va le recevoir, nous attendons d'abord le mot de notre marraine qui va nous aider à dire là où nous allons quand même fêter les 15 ans de Soukabe. Donc tous les festivaliers sont euh, patients. Maintenant, l'édition de Sukabe même aura lieu à Zender en 2017. Maintenant, en mars, nous allons fêter les 15 ans de Sukabe. Je ne sais pas là où nous allons fêter. D'abord, on attend notre marraine. Mais l'édition, la 15e édition, aura lieu à Zender en 2017. Quelle va être euh, sa particularité, monsieur le promoteur La particularité, nous allons essayer d'amener encore un ou bien deux pays qui n'ont jamais assisté à Sukabe, qui est le Libéria. Nous allons faire beaucoup d'efforts pour essayer d'amener le Libéria à venir rejoindre le Sénégal qui vient d'arriver. Monsieur le promoteur, Merci beaucoup. Voilà, Soumana Tini le promoteur du festival Soukabe, tirant les leçons de la 14e édition qui a clos ses activités, ses travaux hier soir à la, MJC de Tilabiri. Alors, parmi les pays de la sous-région représentés à ce Soukabe, il y a le Sénégal qui fait sa première participation. Et selon le chef de la délégation sénégalaise, ce Soukabe a été riche en expérience. Madame Matkadija tire donc un sentiment de satisfaction. Satisfaction, satisfaction. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, depuis 2011, on essaie de venir, mais c'est aujourd'hui que le Tout-Puissant a voulu qu'on vienne. On est venu pour prospecter, voir comment ça se passe, mais pas pour compétir, parce que c'est la première fois, il fallait découvrir. Et vraiment, ce qu'on a trouvé là nous a vraiment épaté, ça nous a satisfait et ça nous pousse à redoubler d'efforts pour participer dans les compétitions à la prochaine édition, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des similitudes euh, entre euh, le festival Soukawe et le festival que vous organisez chez vous au Sénégal Forcément, pour deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes d'une même nation qui est l'Afrique. Donc nous sommes des frères. Mais la deuxième raison, c'est que c'est un festival d'enfants. L'enfant n'a pas de différence, l'enfant n'a pas de couleur. Tous les enfants sont égaux, tous les enfants sont pareils. L'enfant est innocent, et par conséquent, tout ce qu'ils font, ils le partagent. Raison pour laquelle forcément il y a des différences. Les enfants du Sénégal, les enfants du Bénin, du Togo, du Niger sont égaux, ont les mêmes, vivent les mêmes réalités. Forcément, ce qu'ils vont présenter dans leur culture, ça, il y aura des choses qui vont se ressembler. Il y a, comme on dit là l'habitude de le dire, il n'y a que les frontières qui divisent, mais nous sommes tous égaux. Et c'est à travers la, les diversités culturelles qu'on va s'enrichir on ne peut pas se développer, que sont dans les coulisses. On ne les voit pas, mais elles participent à leur manière à ce festival. Ceux qui nettoient, ceux qui rangent le matériel, ceux qui sont là pour la sécurité, il faut les encourager et les remercier. Parce que aussi, discrètement, ils ont apporté leur touche à la réussite de ce festival. On souhaite longue vie à ce festival et beaucoup de bienfaits, beaucoup de bien pour tout Soukabe. Parce que si Soukabe réussit, tous les enfants de la sous-région vont réussir, Inch'Allah. Madame, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici au Niger c'est la première fois, mais j'ai eu à côtoyer des Nigériennes et des Nigériens parce que j'ai fait une formation dans une école qu'on appelle N7 à Dakar et il y avait beaucoup de dames et d'hommes nigériens qui venaient là-bas faire euh, leur, formation professionnelle. J'en ai côtoyé beaucoup. Il y avait Bouli Issa Alassane, il y avait les Mariama et autres. Mais on s'est perdu de vue après la formation parce qu'elles sont revenues pour servir leur pays. Ce sont des femmes qui travaillent dans l'action sociale. On a fait comme formation l'économie familiale. Et le séjour qu'elles ont fait là-bas pendant ces quatre ans, on était une famille. Et vraiment, ça ne m'étonne pas si on a été accueillis avec la même chaleur. Quelle est peut-être euh, l'image euh, la plus resplendissante que vous gardez du Niger Ce que je garde du Niger, est-ce que je peux, je peux choisir Ça va être difficile, mais peut-être la visite chez le chef, c'est chez le chef à Tilaberi, le chef de canton, peut-être cette visite-là, parce qu'on a trouvé là-bas également un homme qui aurait pu être quelqu'un de vraiment de, de froid, de distant, mais ce n'est pas le cas on a trouvé un chef euh, traditionnel, intellectuel, qui nous a accueillis avec beaucoup d'humilité. Il avait un décès, mais n'empêche, il a accepté l'animation. Il a dit que l'on fasse tout ce qu'on avait prévu. Et ça, vraiment, ça montre sa grandeur. Et on prie pour sa longévité, Inch'Allah. Madame, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà la fin du Soukabe hier soir à la MJC de Tilabiri. Les propos de Soumana Wankoy et de Madame Mat Kadija ont été recueillis par notre envoyé spécial Mokhtar Hamadou. Culture toujours avec la quatrième édition des rencontres littéraires de Niamey qui s'était tenue du 11 au 17 avril dernier, euh, qui a rendu hommage à Feu Boubouhama, un grand hommage du Centre culturel franco-nigérien à travers une série de rencontres pour célébrer son 110e anniversaire. Boubouhama est poète, philosophe, historien, homme de lettres, plus d'une trentaine d'ouvrages et homme politique nigérien, il fut président de l'Assemblée nationale du Niger de 1958 à 1974. Boubouama a joué un rôle majeur dans la vie culturelle de notre pays, c'est pourquoi le musée national porte son nom. Qui est Boubouama Que reste-t-il de lui, de ses œuvres Entre autres questions posées à Jean-Dominique Penel, enseignant-chercheur et spécialiste de la littérature nigérienne. Suivons-le. Boubou, c'est un historien, c'est un géographe, c'est un sociologue, euh, c'est un littéraire, c'est il a touché, si vous voulez, à tous les domaines, même l'esthétique par exemple, il s'est intéressé à l'esthétique. Vous avez chez Boubou, euh, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui concerne l'homme. Donc, euh, vous, à cause de ça, vous allez, il va toucher à, l'ensemble des domaines de, l'humain. Quels sont les domaines essentiels Alors, <clears throat> si vous voulez, ce qui ce, ce, à partir de quoi s'organise la pensée de Boubou, c'est sa vision de, de, l'être humain. Donc, premièrement, euh, tous les hommes sont l'homme, c'est-à-dire que l'espèce humaine est une. Il n'y a pas, même s'il peut y avoir des différences de couleur, de, de, de, de niveau social ou autre, l'homme humain est partout le même. Donc il y a une communauté humaine, quel que soit le lieu euh, d'où l'on parle et où l'on est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la philosophie qu'il a de l'existence. L'homme vient de quelque part dans le temps et il est quelque part en fonction de ce qu'il a été et il va quelque part. Et ce quelque part, c'est où donc vous avez une philosophie de l'histoire et du temps, et c'est autour de ça que s'organise la pensée de Boubouama. Hein. On va quelque part, on vient de quelque part, on va quelque part. En quoi est-ce qu'il a valorisé, par exemple, l'homme nigérien L'homme nigérien, il l'a valorisé parce que euh, de, plusieurs façons. D'abord, l'homme nigérien, c'est l'homme. Vous allez trouver dans sa culture, dans son histoire, l'homme avec un grand H, tel que vous pourriez le trouver ailleurs. Donc il y a de l'humain partout, et si vous allez faire l'histoire d'une région d'ici, vous savez que Boubou a fait l'histoire des armes Masonrail, l'histoire des Haoussa, l'histoire des Peuls, l'histoire des Touaregs, n'est-ce pas Donc il a, pas il s'est pas spécialisé dans un domaine. Il a couvert tous les domaines et il essaye de voir comment les gens ont vécu avant, qu'est-ce qu'ils sont et où ils vont. Avec bobo euh, Boubou, nous connaissons tous des Nigériens. De l'homme. <laughs> Et l'homme a des particularités culturelles dans, selon les lieux où il est, selon le moment du temps où il est, mais à travers ces manifestations qui sont des manifestations différentes. Par exemple, vous avez des langues différentes, vous avez des conceptions parfois différentes, mais il y a quelque chose qui est commun aux uns et aux autres. Vous voyez C'est donc ce, ce qui est commun aux uns et aux autres qu'il faut détecter à travers les différences culturelles, les différences du temps, etc. C'est quoi cette chose commune Eh bien, c'est l'homme lui-même, c'est-à-dire euh, c'est un être qui est, disons-le franchement pour Boubou, qui est un être créé par Dieu et qui va vers quelque part, un chemin de l'histoire qui va aussi vers Dieu. En fait, c'est ça. C'est pourquoi Boubou n'aime pas ni euh, les conceptions de l'histoire qu'on appelle socialiste ou marxiste, n'est-ce pas, où on ne va pas vers une spiritualité. Il n'aime pas non plus le libéralisme tel qu'il fonctionnait à son époque et qui fonctionne encore plus aujourd'hui, où le Dieu c'est l'argent. Quelle est la spiritualité Quel est notre fond spirituel que nous devons développer parce que c'est notre nature d'aller vers vers vers cette vers cette, ce divin, si vous voulez. Hein. Pour Boubou, c'est Dieu le central. Je pense, oui. C'est-à-dire que euh, il y a un ordre de l'histoire. Vous savez, Boubou, il aime le passé, de où est-ce qu'on a trouvé les premiers hommes euh, qui était euh, euh, quels étaient. il aime l'archéologie parce que l'archéologie c'est le passé de l'homme. Il aime les manuscrits anciens parce que c'est l'homme qui a parlé de lui et des autres, etc. Donc il faut reconstituer ce passé antérieur pour comprendre le présent et pour savoir où on va. Il est décédé il y a plus d'une trentaine d'années. Oui. Qu'est-ce qui reste de lui Justement, donc, <clears throat> comme c'était un homme politique, vous savez, euh, ça, ça colle à la peau, n'est-ce pas Donc, il y, a, il y a un passé politique euh, qui n'a pas toujours. Il, s'est Pendant la période coloniale, donc, il y a l'histoire du RDA qui, qui, a lutté contre la colonisation française, qui s'est fait un moment euh, mettre en, <laughs> entre parenthèses, puisque vous savez que à partir de 53, le RDA euh, s'est affaibli, puis après il est ressorti. Donc, il y a un combat politique euh, jusqu'à l'indépendance, mais après, au moment de l'indépendance et après, vous savez qu'il y a eu des antagonismes politiques extrêmement forts, violents, n'est-ce pas, entre le RDA et le Sawaba qui a été interdit. Ça, ça c'est le plan politique, oui, c'est le plan homme de culture. Qu'est-ce qu'on que je veux dire Ce que je veux dire, le problème pour pour comprendre Boubou, c'est que évidemment, il y a un passé politique qui qui a collé à sa peau, si vous voulez. Donc maintenant, avec le recul du temps, on a euh, on a plus de 30 ans, n'est-ce pas, euh, de plus de 30 ans entre euh, entre, euh, euh, sa mort et aujourd'hui, n'est-ce pas Et donc maintenant, on peut évacuer cette dimension-là et, se, se, recentrer sur ses écrits. Il n'est pas très connu à l'extérieur À l'extérieur, non. C'est vrai que des gens comme et tout ça, sont beaucoup plus connus que Boubou. Mais ça, c'est très nigérien. Le nigérien ne se fait pas beaucoup connaître à l'extérieur. Hein. Et Boubou, qui était un homme qui aurait été considérable, aurait dû être dix fois plus connu que ce qu'il était. Merci beaucoup, Monsieur Penel. Voilà, vous venez de suivre en seconde diffusion l'enseignant-chercheur Dominique Penel sur Boubou Hama, homme de culture, homme politique nigérien, le CCFN lui a rendu hommage à l'occasion de son 110e anniversaire à travers la quatrième édition des rencontres littéraires de Niamey. Ainsi prend fin ce forum. Euh, nous nous retrouvons demain euh, pour le forum de la presse. Bonne soirée.